forum du le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum le forum le forum le forum 18h, passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse du studio Kalangou consacré au décryptage de l'actualité de la semaine par nos confrères des médias de la place. La semaine a été marquée par la marche suivie de meetings organisés dimanche à Niamey par le Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République. Le point de presse organisé à Alternative Espace Citoyen par les organisateurs de la campagne de soutien aux 39 femmes et enfants de Ngalewa enlevés par beaucoup Haram dans la région de Difa qui ont passé hier leur 500e jour entre les mains de leurs ravisseurs. Autre fait saillant de l'actualité de la semaine, c'est la commémoration dimanche des 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale de 1914-1918 à Paris, la capitale française, et le Forum de la paix organisé à Paris. Euh, en football, euh, le MENA, euh, l'équipe nationale du football du Niger composée des joueurs locaux a battu un match amical par un but à zéro. Les Lions de l'Atlas, l'équipe des joueurs locaux du Maroc, mercredi au stade général Sénikouché de Niamey. Pour analyser cette actualité, j'ai le plaisir de recevoir Hassan Boukar Diaba de la radio alternative. Hassan Boukar, bonsoir. Bonsoir. Sidika Ali euh, Boukara, journaliste, analyste politique. Abba Sidika Ali, bonsoir. Bonsoir. Et Rufai journaliste sportif. Rufai Dandoua, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, votre serviteur Mokhtar Hamadou. Comme annoncé, des milliers de manifestants ont marché de la place Toumo à la place de la concertation dimanche à Niamey pour dénoncer la gestion des autorités de la 7e République. Dans la déclaration rendue publique, le président du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République, Mohamed Ousmane, a exprimé la disponibilité de l'opposition politique à mettre en avant le dialogue pour l'élaboration d'un code électoral inclusif et consensuel pour l'intérêt du peuple nigérien. On l'écoute dans un extrait de cette déclaration. Le Niger végète encore dans une spirale de régression économique et sociale sans précédent qui malheureusement condamne notre pays au rang d'éternel dernier en termes d'indice de développement humain. Quant au blocage du CNDP, notamment la question de la peine au niveau de l'article 8 du Code électoral, de par la compréhension générale que notre frère Hamma Amadou serait concerné. Entre nous, si une loi ne doit pas être faite pour une seule personne, elle ne doit pas non plus être faite contre une une seule personne, faire réaffirme sa conviction que seule l'organisation d'un dialogue inclusif entre Nigériens, en présence de grands témoins, permettra d'assurer la mise en œuvre effective des décisions qui en seront prises. C'est pourquoi le FRDDR réaffirme sa disponibilité pour la survenue effective d'un tel type de dialogue au Niger pour l'intérêt de tous. Hassan Boukar, que peut-on retenir par rapport à propos de cette manifestation de l'opposition politique nigérienne. Merci. Cette euh, manifestation, pour moi, c'est la preuve que finalement le dialogue euh, n'a pas donné fruit entre l'opposition et la majorité politique. Puis ça annonce pour moi les batailles pour les élections de, 2021. C'est une manifestation qui rentre dans des actions de l'opposition qui visent un positionnement à quelques années des élections à venir. Euh, l'opposition se bat aujourd'hui sur la question du code électoral. un des enjeux, comme ils l'ont dit clairement, c'est ce fameux article 8 qui empêche normalement aux leaders de l'opposition d'être de, candidats pour les élections à venir. Donc c'est une bataille euh, pour moi classique entre opposition et majorité, euh, une bataille où chacun met ses forces euh, où chacun peut gagner ou perdre en fonction de sa capacité à se mobiliser et à, acquérir des, acquis. Mais pour l'instant, évidemment, euh, euh, je pense que ça montre que le dialogue ne porte pas. Je pense que le dialogue n'a pas beaucoup eu droit de citer pendant ces dernières années dans ce pays. Euh, J'évoquais la dernière fois le blocage du CNDP. Pendant longtemps, on n'en parlait plus. C'est revenu autour du code électoral puis tout d'un coup, ça s'est arrêté et là. Et je pense que c'est quand même un débat assez difficile. Euh, tout le monde rappelle que cette disposition qui est combattue aujourd'hui existe quand même depuis longtemps. Ce n'est pas euh, un article ad hoc qui est fait juste pour une personne. Ça a existé. Peut-être qu'à l'époque, on ne voyait pas les conséquences à long terme, mais ça existait bien dans le, dans le code. Mais la politique, c'est une question de rapport de force. Si l'opposition est capable aujourd'hui de créer un rapport de force tel que l'opposition, euh, plutôt la majorité, se trouve dans l'obligation de discuter de ce code, ça se fera, mais aussi longtemps que la majorité pensera que euh, qu'elle a l'opinion de son côté, qu'elle a la légitimité, le droit, la force. Je pense que peut-être que cette tactique ne bougera pas. Mais pour nous, en tant que citoyens, encore une fois, l'avantage, c'est de trouver un discours politique apaisé, euh, la période des élections, c'est des périodes sensibles euh, dans tous les pays du monde. On a une tradition de consensus autour des élections. Si d'aventure il y a un consensus de discussion entre l'opposition et la majorité, je pense que l'intérêt du Niger est de ce côté-là. Euh, Bokar Sedikali, quelle est votre lecture de cette nouvelle manifestation de l'opposition politique nigérienne, vous Merci, euh, chers collègues. Moi, je m'inscris toujours euh, dans le raisonnement de Hassan. Je constate que l'opposition nigérienne vient de se réveiller. Et c'est tant mieux. Et c'est vraiment, en tout cas, à tout bénéfice pour la démocratie nigérienne. Parce qu'on a souvenance que depuis à peu près deux ans, l'opposition s'est effacée, laissant place euh, aux organisations de la société civile qui ont l'habitude d'organiser les actes, les journées d'action citoyenne. Et là, eh, on a compris que eh, même euh, ça, les, organisations de la société civile euh, se sont retrouvées un peu dans une situation plus ou moins un peu difficile avec euh, les arrestations des acteurs, des principaux acteurs. Et depuis lors, on constate que l'opposition revient, l'opposition politique revient sur la scène pour prendre le devant, c'est qu'elle a laissé là-bas. Bon, c'est tant mieux, la démocratie a toujours besoin quand même d'être animée. Ça, c'est euh, la première lecture que j'ai faite. La deuxième lecture que j'ai faite, c'est que euh, euh, le président Maman dans son discours, j'ai senti une certaine sagesse. C'est-à-dire que l'opposition, on a comme l'impression qu'il il y a une certaine désillusion un peu de l'opposition dans le discours. Parce que vous avez dû entendre qu'il disait que l'opposition est disposée à dialoguer. Ça, cette phrase-là n'est pas anodine. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude d'entendre cela. Parce que depuis le début, les deux euh, forces étaient vraiment, en tout cas, pratiquement en belligérance. Euh, chacune, vraiment, en tout cas, avait une position tranchée. Euh, vous, vous rappelez, il n'y a pas longtemps, le président du PNDS avait parlé, dit que le CNDP même, à réalité, n'a pas vocation à traiter ce genre de questions. Donc de l'autre côté, euh, les gens de l'opposition à un moment donné disaient même qu'ils n'allaient même pas partir sur la table de négociation. Finalement, ils se sont retrouvés et chemin faisant aussi, on a remarqué qu'au sein même de l'opposition, il n'y a pas cette cohérence, il n'y a pas cette unité attendue. Parce que, euh, comme je l'ai dit la fois dernière, euh, d'un côté, il y a... le clan de Ousmane et de l'autre, il y a le clan de Sissé. Sissé, autre. C'est-à-dire l'un euh, accorde beaucoup plus d'importance euh, à la révision de certaines dispositions de code électoral qui portent plutôt sur la composition du bureau de vote, euh, la composition de la CENI ou autre, alors que de l'autre côté, ceux vraiment acquis euh, au président Hamamoud Aloumana sont plutôt accrochés à l'article 8, qui pour eux représente quand même vraiment en tout cas un danger conçu spécifiquement pour leur leader. Vous, euh, mais l'un dans l'autre, tout le monde l'a dit, cette affaire de, l'article 8 du Code électoral, ça ne date pas d'aujourd'hui. Un politicien est sorti avant-hier pour un peu expliquer que euh, lors de des dernières élections, c'était le président Hamad lui-même qui soutenait cet article. Vous faites allusion à, Moussa, Haruna, du, MSD, Il avait dit qu'il a travaillé, lui aussi, sous la responsabilité de en ce moment étant président du MSD Il tenait mordicus vraiment à cet article 8. Donc c'est pour vous dire que, euh, vous savez, dans le jeu politique, il y a trop d'incohérences. Donc, euh, comme l'a dit quelqu'un, euh, si vous ne savez pas d'où vous venez, il faut au moins savoir là où vous partez. Rufai, Rufai Dandoua, contrairement aux autres manifestations de la société civile, celle du politique a-t-elle drainé du monde Comment l'expliquer Merci eh, Mokhtar. Euh, moi, en fait, ce n'est pas le fait que ça draine ou pas du monde qui m'intéresse. C'est vrai que c'est ça qui, qui est la balance apparemment chez surtout les internautes ici à Niamey. En réalité, ce n'est pas, ce pas cela. il faut que les gens aussi se désillusionnent. Niamey n'est pas le Niger. Niamey, même en termes d'électorat, ça ne représente pas grand-chose. Je crois qu'aux dernières élections. Mais toutes les décisions importantes du pays se prennent ici à Niamey. Oui, sauf, que le président de la République n'est pas élu à Niamey. Il est élu par euh, les, Dans tous les l'électorat de l'intérieur du pays. Donc il faut que les gens se désillusionnent. Tu peux drainer des gens avec l'argent, par d'autres pas par conviction, parce qu'il fallait aussi juste sortir mais l'un de l'autre, moi, ce que je pense, c'est que c'est, comme ils l'ont dit, c'est, on peut dire enfin, l'opposition est sortie, elle a quitté le salon pour être dans la rue. c'est tout à fait à l'honneur de, la démocratie au Niger et du débat contradictoire. Et il faut qu'ils sachent aussi que même en termes d'image, le fait qu'ils soient toujours au salon ou qu'ils laissent quelqu'un faire la lutte à leur place, ne les avantage pas. Vous faites allusion à la société civile. Bien sûr, en termes d'image aussi, le fait qu'ils soient là, qu'on voit par exemple un moment Ousmane un qui marche, c'est quelque chose qu'on voit falqué malgré l'âge, qu'on les voit devant les manifestations, c'est important. Mais c'est euh, sur quoi euh, je veux revenir, c'est les propos de euh, Sidik quand il disait que c'est la désillusion et quand Ousmane disait et qui sont prêts à dialoguer. Je pense que dans l'opposition, il y a deux tendances. Il y a la tendance, l'aile dure de l'opposition et l'aile euh, modérée. modérée, incarnée sûrement par, par Ousmane, qui a toujours été comme ça, et depuis, je pense, hein, ils ne me diront pas le contraire, qui a toujours été comme ça. Et je pense que Ousmane, en disant cela, c'est c'est lui, c'est tout à fait Ousmane en disant qu'ils sont prêts à dialoguer. Mais malgré tout, j'ai senti eh, un peu de, de, punch dans ce qu'il avait dit la dernière fois. Le fait déjà qu'il soit là, le fait qu'il prenne la parole, qu'il fasse un discours, vraiment, je trouve que c'était même musclé. Ce n'était pas le moment qu'on connaissait avant. Et c'est bien, c'est bien pour la démocratie, c'est bien pour l'opposition politique. Et je pense que le fait aussi que eh, le régime laisse les gens maintenant manifester, c'est tout à fait à son honneur, c'est tout à fait à l'honneur de la démocratie et ça va permettre euh, des débats contradictoires. Les gens vont comprendre, connaître les enjeux des futures élections. Et même si, même si, comme le disait Abba, c'est un rapport de force, je ne pense pas qu'à aucun moment que la majorité revienne sur cet article 8 qui a été à un moment de l'histoire acceptée par tout le monde. Aujourd'hui, que ça tombe sur vous, il faut que les gens comprennent que la dernière fois, je le disais, la loi, elle n'est pas faite pour une personne. Elle est impersonnelle. Elle est impersonnelle. Et, et quand ça tombe sur vous, il faut l'accepter. Et c'est ça aussi les règles du jeu. Le sujet qui domine surtout l'actualité nigérienne en ce moment, 500 jours hier que les 39 femmes et enfants de Ngalewa, région de Difa, ont été enlevés par la secte Boko Haram. Les acteurs de la société civile ont tenu hier un point de presse au siège de l'association Alternative Espace Citoyen pour rappeler ce qui s'est passé le 2 juillet 2017. Ils interpellent le gouvernement qui est de sa responsabilité de faire libérer ses otages. Kaka Mamantouda, de la société civile au micro d'Alamina Ouachar. Le 2 juillet 2017, le groupe terroriste Boko Haram a procédé à la tuerie de 9 personnes avant de partir avec 39 femmes et enfants. Depuis lors, c'est le silence radio du côté du gouvernement. Aujourd'hui, ça fait 500 jours que ces personnes ont été enlevées. On n'a pas de leurs nouvelles. Donc, nous avons décidé au niveau de notre campagne de s'arrêter et faire un peu le bilan, interpeller le gouvernement qui est de sa responsabilité, en tout cas de prendre des dispositions pour les libérer, mais également interpeller les organisations de défense des droits humains, les ONG Association associations dites de défense des droits des enfants, des femmes à leur devoir. Parce qu'il est de leur responsabilité également de travailler, faire des pressions au niveau du gouvernement pour que ces enfants puissent être libérés. Rufai Dandoua, 501 jours aujourd'hui sans la moindre nouvelle de ces femmes et enfants enlevés à Englewa, région de Difa par Boko Haram. Comment l'expliquer Mm. Moi, je vais faire la comparaison, même si on dit comparaison n'est pas raison, entre les filles de Chibok qui ont été eh, qui ont subi le même sort à un moment de l'histoire au Nigeria. Et de Dama, et de, euh, euh, c'est pas euh, massacre, c'est pas. C'est les filles de Chibok qui, ont, été enlevées et, et celle de Nkalewa. Mhm. Et vous vous rappelez comment ça a fait un tollé au niveau international quand, oui, une, campagne, mhm, mhm. jusqu'à ce que je crois la première dame des États-Unis, Barack, Madame Barack Obama, voilà, Michel avait pris le devant, les grandes personnalités de ce monde ont pris le devant. C'est la preuve que quelque part et nous, on ne représente rien. Je, peux si je peux le dire ainsi, le Niger, les filles ont été enlevées. C'est vrai que c'est 39 là-bas, c'est plus de 200, je crois. Ça a fait beaucoup plus de bruit qu'ici. C'est vrai aussi que quelque part, et même certains acteurs, euh, pas politiques, certains acteurs de la société civile, c'est de l'opportunisme qu'ils font. C'est pour, à un moment de l'histoire, se positionner, pour euh, avoir euh, de la place mais je pense que eh, et, les, autorités politiques et les acteurs de la société civile, personne n'en a fait un. Eh, c'est là une préoccupation. une préoccupation pour l'IBC. On le fait quand il y a une opportunité, il faut la saisir et que ça ne passe pas. Aujourd'hui, quand on prend le chiffre 500, c'est symbolique, 500 jours c'est déjà beaucoup 500 jours. Maintenant, les gens prennent 500 jours. Mais une fois, je me <coughs> rappelle, le président de la République a évoqué euh, cette question dans, dans un de, ses messages à la nation. Pensez-vous que eh, a, écouté ce, ce, ce, message à la nation Même s'il l'avait écouté, pensez-vous qu'il a entendu parler de ça Quand même, il faut, il faut, il faut qu'on se dise les choses en face. Le dire dans un conseil et dans un euh, message, à la nation, ne change rien. Venir, par exemple, parler une fois, euh, peut-être chaque mois ou une fois chaque deux, trois mois, ne change rien. Je pense Il faut toute une campagne. Je pense que ces filles ont, été délaissées à, à, leur propre sort. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui leur est arrivé. Elles sont-elles mortes ou pas Sont-elles malades ou pas Personne ne sait. Il n'y a que Dieu qui peut sauver les filles de Ngalewa s'est décalé 501 jours après leur enlèvement. Peut-on encore parler du mythisme des autorités nigériennes Bon, euh, moi je pense que euh, par rapport à ce genre de questions, euh, surtout les questions de sécurité, les questions de lutte contre le terrorisme, compte tenu vraiment en tout cas de mon statut de président quand même du réseau de journalistes du G5 Sahel, ayant été formé aussi en matière de communication, euh, vraiment en tout cas face à des questions de sécurité. Je sais que c'est très complexe, c'est-à-dire qu'on euh, on ne peut pas avoir une lecture très simpliste de ces choses-là. Euh, pour la simple raison que chacun a sa mission dans cette affaire. Aujourd'hui, vous avez parlé de la société civile. Chacun Oui, chaque acteur. Je parle de chaque acteur. Aujourd'hui, vous avez parlé de la société civile qui est sortie hier pour faire une déclaration, pour faire un point de presse. Il y a une mission qui incombe à la société civile. C'est quoi c'est de rappeler de façon constante, c'est-à-dire de ne pas laisser la flamme vraiment en tout cas s'éteindre, de rappeler au pouvoir public, de rappeler à l'opinion nationale et internationale que quelque part, il y a des citoyens de ce pays qui sont détenus par des terroristes et il va falloir quelque chose. Et je crois que la même action a été menée au Nigeria, ça a été mené dans beaucoup de pays qui ont connu ce genre de drame. Au Nigeria aussi, si ça a marché, c'est quelque part, il y a une communication de masse qui a été vraiment, en tout cas, soutenue non seulement à l'échelle nationale, à l'échelle africaine, mais aussi à l'échelle mondiale. Vous vous rappelez, tout à l'heure, il l'a dit, Michel Obama s'est impliqué, des grandes stars, par exemple, du showbiz se sont impliquées. Donc, il y a des, vraiment, en tout cas, des responsables du monde scientifique qui sont impliqués. Donc, finalement, donc, un slogan, c'est-à-dire qui fait l'unanimité, a été voté pour que vraiment, au niveau de, vraiment des, Nations Unies autres là, qu'il y a eu vraiment un mouvement, un bras-le-bas qui a donné vraiment le résultat qu'on connaît. Mais jusqu'à aujourd'hui, eh, même les, filles de Chibok dont vous parlez, il y a toujours d'autres qui sont encore détenues par les terroristes de Boko Haram. Donc moi, je dis qu'il y a toujours des, missions quand même eh, vraiment séparées. La société civile est dans son rôle. Mais malheureusement, ce qu'il faut reconnaître, comme Dandoua l'a dit, la société civile aussi avait un peu relâché pendant un moment donné dans ce pays-là, c'est qu'on n'a pas. ce sont plutôt les organisations féminines qu'on ne euh, sent pas. Non, vous savez, aujourd'hui, nous sommes euh, dans une situation où je, déplore une chose c'est que quand euh, votre action n'est pas commandée par certaines considérations, ben vous, je veux dire, malheureusement, des considérations d'ordre matérialiste. Si quelque part, en bougeant, vous n'avez pas un fond qui va tomber quelque part et que vous allez en amont, c'est-à-dire vraiment, en tout cas, battre le pavé, soulever de la poussière, c'est que euh, ça vous motive pas du tout. Si vous voyez aujourd'hui les organisations féminines sortir, crier, battre vraiment le pavé et soulever la poussière, c'est que quelque part, il y a des fonds de l'éducation <laughs> ou des fonds de soutien à la femme ou bien des fonds destinés, je ne sais pas, euh, aux questions vraiment en cas de reproduction autre là, qui sont là en enjeu. Mais s'il s'agit vraiment d'une action de ces gens-là, elles disparaissent, elles préfèrent vraiment rester dans leurs ONG quelque part et sortir juste pour parler vraiment euh, ponctuellement de ce qui les intéresse. Malheureusement, c'est ça. Et maintenant, pour ce qui est du politique, je reviens, du gouvernement, je crois savoir que vraiment, en tout cas, il y a des actions qui sont en train d'être menées. Mais les États, eh, vous savez, ils, ont une démarche très compliquée. Ils ne peuvent pas communiquer à tout bout de champ et dire que voilà ce que nous sommes en train de faire. Parce que les États communiquent souvent à travers des cellules secrètes, à travers des services de renseignement, à travers les forces de défense et de sécurité. Donc, ces gens de questions-là, il y a toujours la loi de Merta qui les régit. Donc on ne peut pas sortir dans la rue et expliquer à tout le monde comme ça. Parce que ça met même, même en danger la vie de ceux qui sont détenus. Bah, et de l'autre côté, la presse nigérienne, nous, par exemple, qu'est-ce que nous faisons euh, pour rappeler Vous vous rappelez certains de nos confrères euh, français et autres qui étaient détenus avant par les terroristes. dans chaque journal euh, télévisé que vous suivez, c'est-à-dire il y a toujours, on marque, bah, vous par exemple, ça fait tel nombre de jours que nos confrères sont détenus. Bah, vous Et là, euh, les Lazarevitch et autres, là, quand ils ont été détenus, mais chaque jour, on marquait à l'antenne que ça fait 350 jours, 351 jours, ainsi de suite, jusqu'à ce que vraiment, c'est une façon de rappeler constamment que vraiment, quelque part, il y a des gens qui sont détenus que nous avons l'obligation d'agir pour les libérer. Euh, allez-y, rapidement. rapidement euh, je, suis un peu d'accord quelque part quand il dit que l'État ne doit pas sortir à tout bout des champs pour communiquer, mais quand même, en 500 jours, on ne dire que l'État ne doit pas sortir pour faire le point, dire voilà, on a eu, et par exemple, le point que ces gens sont en vie, qu'ils sont en bonne santé, ça n'a jamais été fait. En Europe ou aux États-Unis, ça se fait. Euh, on donne la situation des gens, mais ça ne se fait pas au Niger. Et c'est ça qui est, qui est dangereux déplorable selon vous. Et Hassan Boukara, euh, comment faire euh, pour que ces 39 enfants et femmes retrouvent leurs familles respectives sains et saufs Il faut de l'action. C'est ce que nous disons autour de cette table, c'est qu'il n'y a pas d'action. Ou alors ces actions ne sont pas connues. Moi, je suis d'accord avec mes prédécesseurs. Euh, la communication, dans certains contextes, est très sensible et c'est assez difficile on est partagé entre une communication qui vise à rassurer les familles, qui vise à rassurer l'opinion, et une communication qui vise en même temps à ne pas compromettre les personnes qui sont détenues. C'est donc un moment difficile, mais 500 jours, c'est beaucoup. Donc euh, le gouvernement devait quand même trouver la formule pour communiquer, au moins rassurer les personnes. Alors, en dehors de cette allusion dans un message du président de la République à laquelle euh, que vous avez évoqué, mais c'est silence radio, c'est quand même 500 jours, c'est 39 personnes. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Et donc, je considère que euh, même s'il y a de l'action, on aurait pu trouver une formule au moins pour rassurer l'opinion. Il n'y a pas d'action, silence radio, tout le monde dit l'État ne fait rien. Je suis d'accord, euh, tous les acteurs ont, leur rôle, que ce soit les médias, que ce soit les organisations de défense des droits humains, chacun doit. Et même le politique. Hein. Euh, chacun a son rôle. Euh, c'est bien dommage, c'est une question des droits humains avant tout, que ce soit l'organisation défense des droits humains, euh, celle qui défend les enfants et tout ça. Et je pense que, euh, encore une fois, comme quelqu'un l'a déjà dit, ils ont un peu laissé tomber la garde, ça a baissé. Et du coup, on a l'impression que finalement, elles ne seront libres que le jour où Boko Haram va décider de les mhm. libérer, puisqu'on ne voit pas l'action alors. Alors, l'action, on voit nos dirigeants s'impliquer hein, lorsqu'un notaire occidental est enlevé. Ils sont quand même beaucoup plus actifs. On les fait pour rendre service à des pays amis. On les fait parce que ça paye en code de popularité. On le paye parce qu'il y a parfois des intérêts directs. Mais là, c'est quand même 39 citoyens qui sont enlevés et sur lesquels l'action publique, puisqu'il faut l'avoir pour la juger, pour nous, elle est totalement absente. Alors, est-ce que ça veut dire, comme beaucoup de gens le pensent, qu'il n'y a rien Est-ce que réellement quelque chose se passe Mais euh, on joue sur des stratégies de communication pour ne pas en parler de façon publique. Euh, Allahu Mais, à mon avis, 500 jours, c'est énorme. Et la seule façon aujourd'hui de convaincre les citoyens que quelque chose se passe, c'est quand même une communication. Cette communication, elle est absente. Oui, la, communication, il y a plusieurs manières de communiquer. Vous voyez, en Europe, on, reçoit par exemple les familles des otages pour les rassurer. Même si quelque part il n'y a rien, on les rassure en les invitant, invitant par exemple au palais de la présidence, on leur fait comprendre qu'on n'a pas oublié vos, enfants, vos familles, tout ça, voilà ce que l'État fait. Mais nous, on ne fait rien. C'est ça aussi la communication. On attend les élections pour dire que. Vous, voyez, non la communication, elle est... On va observer une courte pause. Sur tout un autre plan, le monde entier a commémoré dimanche les 100 ans de la Première Guerre mondiale de 1914-1918 à Paris, la capitale française. La signature de l'armistice en 1918 à Compiègne, dans le nord de la France, a mis fin à cette grande guerre qui aura tué près de 10 millions de combattants entre 1914 et 1918 selon la Radio France Internationale pendant ce temps, du 11 au 13 novembre s'est tenu à Paris, la capitale française, le forum de Paris sur la paix. Au centre euh, des échanges était inscrit le pacte mondial sur l'environnement, euh, qui est un dispositif pour rassembler et harmoniser euh, les centaines de conventions et traités qui existent en matière d'environnement. Boukara Sidikali, que peut-on retenir d'essentiel pour le centenaire de la signature de l'armistice qui a mis fin à la guerre, à la guerre 14-18 et le forum de la paix hmm. Moi, je vais vous surprendre en vous disant que ça m'importe très peu, cette affaire d'armistice-là. C'est-à-dire que l'histoire, il faut savoir euh, restituer l'histoire pour que le monde, même il y a de l'équilibre et de la justice même dans l'histoire. Aujourd'hui, en 2018, on ne peut pas venir me parler de l'armistice qu'on fait quelque part. Ça, c'est l'histoire de la France. Mon pays a vécu des choses. La commémoration du, centenaire. Non, mais centenaire ou bien deux centenaire, dans tous les cas, c'est une affaire des Français. Je m'en moque éperdument parce que ici, l'Afrique, on a connu, connu des drames. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui ces Français ont retenu comme leçon pour changer leur comportement et être juste vis-à-vis du monde. Ça n'a rien changé. Même ceux-là qui ont participé à 14-18, la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, vous vous rappelez, ça n'a pas... C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment eu, vraiment en tout cas, de suite positive. Vous comprenez Normalement, un pays qui a connu la guerre, un pays qui a traversé des périodes de drame, doit vraiment... Euh, réviser son comportement, sa politique extérieure et être juste vis à -vis du monde. Mais l'Afrique a été colonisée après 14-18, après la Première Guerre mondiale. L'Afrique a été colonisée après, euh, libéré après la guerre de 39-45. En quoi aujourd'hui le peuple africain dont je suis issu peut vraiment se sentir concerné par cette affaire de 14-18 ou bien 39-45 Vous comprenez euh, je, je suis plus concerné aujourd'hui par ce qui s'est passé à Rwanda en 1994. Je suis plus concerné par la guerre qui a traversé le Sud-Soudan et le Soudan du Nord. Je suis plus concerné aujourd'hui par la guerre qui a traversé vraiment, en tout cas, les, euh, le Nord Kivu, le Nord autre qui se passe actuellement. Il y a des, c'est-à-dire que pendant qu'il y a des guerres, il y a des drames qui sont aujourd'hui en train de se passer sur le continent africain. Pendant que des milliers ou voire des millions d'Africains sont en train de mourir sur notre sol africain, parce que quelque part, nous sommes des Noirs, quelque part, nous ne sommes pas vraiment, en tout cas, potentiellement euh, considérés dans l'histoire comme étant des acteurs, comme Sarkozy l'a dit à un moment donné. Non, non, non, on vient nous servir cette affaire d'armistice. Armistice, c'est quoi Mais il y a le, pendant ce temps, il y a le forum de la paix qui s'est tenu à Paris. Dans tous les cas, c'est lié. Vous savez, euh, il n'y a rien au hasard. Hein. Quand vous trouvez, par exemple, une grande thématique qui fait vraiment, en cas, qui occupe le devant vraiment, en tout cas, des débats en Europe, quelque part, il y a toujours un enjeu stratégique qui accompagne cela. Vous comprenez Est-ce que cela même n'est pas en train d'augurer une nouvelle phase Vraiment, en tout cas, eh, vous avez vu, il y a à peine une semaine, la France avait émis un nouveau texte aux Nations Unies où la Russie, l'Amérique et la Chine se sont réunis là-bas par rapport à la Centrafrique. Qu'on me dise par exemple pourquoi ce texte a été émis en ce moment précis et le lendemain on célèbre vraiment l'amnistie. Moi personnellement je vous dis, j'aurais bien voulu ne même pas répondre à cette question parce que ça m'importe peu. C'est quelque chose dont j'en ai cure vraiment. Hassan Boukar, cette guerre aura tué près de 10 millions de combattants entre 1914 et 1918 selon RFI, parmi lesquels plusieurs combattants africains. La place de l'Afrique dans ce premier conflit Alors, euh, en allant sur la même logique que Sidique, il veut dire que les Français ont raison de fêter cette guerre, les Français et les Européens. Euh, cette une qui, euh, qui rappelle les contradictions européennes, les conflits au sein de ce continent. Une des leçons qu'ils ont tirées, c'est de faire en sorte que qu'il y ait plus de cohésion au sein de l'Europe. Ça n'a pas empêché, c'est vrai, la guerre 39-45. Mais à un moment où euh, le symbole de la cohésion européenne, qui est l'Union européenne, est contesté, à un moment où les nationalismes montent en Europe, le Brexit, euh, tout ce qu'on voit un peu en Europe de l'Est. Dans ce contexte, peut-être que les Européens ont <clears throat> intérêt à rappeler à quoi mène le nationalisme. Euh, la guerre 14-18 est partie entre autres du nationalisme allemand. Euh, et donc, c'est bien qu'ils le rappellent pour leur jeunesse, pour ceux qui n'ont pas connu cette période, et tirer les leçons de l'histoire pour dire si on veut plus jamais revoir ça, il faut se battre pour la cohésion, pour l'unité, il faut bien prendre conscience du risque que les nationalistes font courir aujourd'hui en Europe. Mais nous, en Afrique, on devait euh, fêter aussi notre histoire, être fiers de ce qui nous concerne. Ce qui nous concerne, c'est quoi Qu'est-ce qui nous concerne Par exemple, on parle de 14-18 pour parler de l'armistice, de la guerre. Pendant cette période, dans le nord du Niger, Kaosen, Kaosen continue à résister aux colonisateurs. Les jeunes générations devaient le connaître et c'est important pour nous de fêter le combat de Kaosen. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelques reconnaissances en, baptisant des établissements publics à leur nom, mais nous avons aussi notre histoire dont nous devons être fiers. Euh, nous devons mieux connaître notre histoire. Ça nous permet peut-être de mieux faire face au présent et à l'avenir. Les historiens nous disent que ceux qui ne connaissent pas le passé sont condamnés à le revivre. Et aujourd'hui, j'ai entendu ce discours, j'étais dans des discussions avec des acteurs de la société civile qui parlaient du cas du Brésil où quelqu'un d'extrême droite est venu dire, flatter la période militaire du Brésil, flatter le régime qui a réprimé beaucoup de gens. Et on disait, mais la plupart des électeurs qui ont voté pour lui n'ont pas connu cette période. Et donc, pour eux, ça ne veut rien dire. Ils pouvaient encore voter quelqu'un qui flatte ces périodes. Je pense que c'est bien que l'histoire de notre pays, l'histoire de notre continent puisse servir les jeunes. Euh, je trouve très maigre de, de, nous intéresser à cette guerre 14-18 simplement en disant que les tirailleurs africains sont allés à la guerre. Nous sommes allés à la guerre malgré nous, ce n'était pas le choix des Africains, parce que nous étions simplement des sujets des empires européens qui nous ont amenés malgré nous à cette guerre. Et donc, euh, que ceux qui ont pu participer à cette guerre puissent tirer une euh, certaine fierté, c'est leur droit, il faut le leur reconnaître, ils se sont sacrifiés. Mais pour nous, Africains, je pense que c'est l'occasion de dire, nous avons nous aussi notre histoire et nous devons célébrer. Regardez tous ces chefs d'État africains, tous ces hommes d'État qui partent. Alors, on se demande... Alors, à Paris à l'époque, on disait qu'on partait malgré nous, on était obligé. Alors aujourd'hui, on se demande, mais pourquoi tout ce beau monde quoi <laughs> Moi, pour moi, je pense que euh, c'est bien de fêter l'histoire, mais surtout pour les Français. Donc nous avons notre histoire, nous devons beaucoup plus nous intéresser à ça. Rufai Dandoua, quelle est votre lecture sur le dispositif du pacte mondial en matière d'environnement euh, je vais d'abord revenir sur, rapidement. sur, cette euh, <clears throat> messe des, chefs d'État. Lorsque des, grandes personnalités du monde, euh, parmi lesquelles notre président se retrouve, et dans un pays qui puisse plus être la France, se, se, réunissent pour parler de l'histoire. C'est vrai, ce n'est pas l'histoire du Niger ou de l'Afrique. on doit voir et nous aussi se dire qu'est-ce qu'on peut en tirer à Baladi. Et ça peut nous permettre aussi de se dire qu'est-ce que nous, on a à gagner, à, gagner euh, dedans. Et le fait que tous ces, ces, ces hommes se retrouvent là-bas, et euh, moi, m'a poussé déjà quand on parle par exemple de la guerre de la rencontre sur la paix ou euh, du forum, du forum sur, la, paix. lorsque les, les, les, trois grands vendeurs d'armes se retrouvent les États-Unis, la France, euh, la Russie. la Russie. se retrouvent pour euh, célébrer la paix, même si bah, euh, comment s'appelle Trump a, boycotté ça. Je pense que ça, c'est une insulte pour l'intelligence humaine. Et dire que ce sont les vendeurs d'armes qui fêtent la paix. Bon, bref, c'est la preuve aussi que jusqu'à présent, nous, Africains, nous ne prenons pas conscience. Le rapport du, du monde est toujours en faveur de ces Occidentaux qui imposent ce qu'ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent. Si nous, Africains, au lieu d'avoir des discours euh, fatalistes euh, ou défaitistes, se dire que non, c'est toujours le blanc qui nous impose quelque chose, on fait comme l'avait dit Abokon, qu'on parle de notre histoire, ça, ça nous aurait servi à quelque chose. Aujourd'hui, malgré tout, on le regarde parce qu'on regarde leurs médias, parce qu'on regarde tout ce qu'ils... à votre lecture sur le pacte mondial en matière d'environnement, rapidement. Vous, voyez, et les gens sont en, en train de, de le quitter parce que ça ne les arrange pas. Trump l'a fait. Le président brésilien a l'a rappelé, le nouveau président, il dit que lui-même, il va essayer de voir ce qu'il arrange. Si ça ne l'arrange pas, il, il, il va sortir. La Chine, c'est la preuve que le Japon. chacun, et comme, la, comme, quoi qu'on dise de Trump, qu'il est bête, qu'il est fou, qu'il est ceci, qu'il est cela, quelque part, on s'est dit, même si on parle du patriotisme qu'on oppose au, nationalisme, même si on parle de la mondialisation, chacun pense à son pays aussi. Terminons par du football au Niger. Le MENA, l'équipe nationale de football du Niger, composée de joueurs locaux, a battu un match amical par un but à zéro les Lions de l'Atlas. L'équipe des joueurs locaux du Maroc, mercredi soir au stade général Seynoukounché de Niamey. Euh, demain, samedi 17 novembre, l'équipe A du MENA jouera un match retour euh, contre les Swatini. Euh, dans le cadre du match aller du premier tour euh, des éliminatoires de la Cannes U23 Égypte 2019. L'équipe du MENA Espoir du Niger affrontera euh, ce soir même cet après-midi les étalons du Burkina Faso au stade du 4 août à Ouagadougou. Rufai Dandoua. Comment analysez-vous cette victoire du MENA version A prime contre les Lions de l'Atlas Arrêtez, nous ce n'est pas ce n'est pas aussi les, que le locaux parce que si c'est à jouer parce qu'on encore à jouer, ce ne sont pas des joueurs qui jouent au, Niger. Vous savez, moi, je, vraiment, je suis dessus du football nigérien que des fois je ne, je ne vais même pas en parler tellement que on est on est on, est le cadre des préparations du Chan tellement qu'on est à la traîne et ceux qui vont jouer par exemple aujourd'hui tout à l'heure à partir de 19h je crois au à Ouagadougou c'est dans le cadre des animateurs des Jeux olympiques Tokyo 2020 et même euh, l'Égypte 2019 euh, quelque part c'est c'est important pour, pour, pour, pour l'avenir du football nigérien. C'est pour ça que je pense qu'on aurait pu s'en passer, par exemple, de faire représenter notre équipe nationale et, eh, du côté de Swaziland eh, pour jouer eh, alors qu'on a tout perdu. Imaginez tout l'argent qu'on va dépenser pour aller jouer pour un match qui ne compte que du beurre, comme disent les, spécialistes du football. Peut-être un, match, peut un match de classement pour euh, la FIFA ils ont fait 0-0 ici et contre nous. Je ne pense pas, puisque chacun gagne chez lui, ils vont, ils vont gagner chez eux. Dans tous les cas, ce qu'on avait craint un moment, ce qu'on avait combattu, ce qu'on avait, l'alerte qu'on avait faite à l'époque aux gens, attention, et ce n'est que euh, du feu de paille qu'on voit et avec nos, nos, deux qualifications antérieures. Donc il n'y a pas d'enjeu pour le Niger selon toi il n'y a aucun enjeu. Il faut travailler. Aujourd'hui, on risque et c'est ça la crainte de ne pas être parmi les équipes qui vont euh, jouer directement les, qualificatifs. On risque de revenir pour jouer les tours préliminaires avant de prétendre être dans la phase euh, éliminatoire. Et c'est ça qu'on avait craint, c'est ça qu'on avait alerté on pensait qu'on ne, voulait pas les gens qui sont à la fédération, on pensait qu'on n'aimait pas le pays. Aujourd'hui, le soir est en train de nous donner raison. Mais je pense qu'on doit revenir à la base pour travailler. Ah, euh, Hassan Boukar, vous avez quelque chose à ajouter euh, ben, Moi, je prends sa conclusion. Il faut réunir à la base pour travailler. Bon, ces derniers temps, ça montre qu'un peu partout, quand même, dans notre voisinage, ça évolue. Bon, ici, c'est un peu, c'est un peu difficile, ça n'avance pas. Donc, il faut, il faut travailler. Il faut pas. Bon, quand moi, j'ai entendu le score de Maïdir, je pensais que c'était quelque chose de très, de très important. Après, j'ai compris que, bon, <laughs> déjà, on parlait... Oh, le Niger a déjà été éliminé. Oui, oui, euh. donc, euh, donc je pense qu'il faut, il faut maintenant préparer l'avenir. Bon, cette campagne, elle est presque c'est fini quoi. Il faut, il faut, il faut préparer l'avenir. Il faut aussi euh, les échecs. Les gens partent de leurs échecs. Hein. Il faut, faut, bien considérer les échecs. Ça permet les victoires. On a vu des équipes qui ont été décimées par des accidents. Oui, bien sûr. il faut, mais surtout il faut tirer les leçons. Ils ont repris il faut, être humble, il faut tirer les leçons. Si on tire les leçons, ça permet d'aller de l'avant. Quoi. Donc, il faut, à mon avis, il faut travailler pour l'avenir. Mais pour l'instant. Boukar Sidi rapidement, on, va revenir vers toi, on va revenir vers toi rapidement. Votre, euh, euh, votre, votre analyse par rapport à tout ce qui se passe autour du football nigérien voilà, ça c'est une très belle question. Euh, allez-y, allez-y. vraiment, ah oui, <laughs> la question que je suis tenté souvent de me poser, c'est pourquoi les autres gagnent et pas nous Ici tout ici à domicile. Le football nigérien en général, j'ai dit, mhm. depuis que ça a existé jusqu'à aujourd'hui, euh, quand vous observez le palmarès du football nigérien, nous sommes quand même toujours à la case départ. Pourquoi on ne décolle pas La question, elle est très simple. Peut-être que c'est une question de des moyens Non, ce n'est pas une question de moyens. D'encadrement Non, pas, du tout. de Non, pas du tout. Pas du tout. Vous allez revenir à la vraie raison. La vraie raison, c'est que, quelque part, on a beaucoup joué à l'hypocrisie. Il va falloir qu'on revienne aux fondamentaux du football. C'est quoi le fondamental du football Il faut choisir la personne qu'il faut pour faire vraiment le football. Et ça, là, ça a toujours vraiment manqué au Niger. Le football est devenu une industrie à l'échelle mondiale et à l'échelle nationale. Le football aujourd'hui nourrit des gens. Et nourrit des gens qui ne sont pas forcément ceux-là qui jouent. Vous comprenez Le football est devenu un enjeu financier. Le football est devenu un enjeu politique. Vous avez vu tout ce qui se crée autour du football. Et malheureusement, aujourd'hui, vous savez, quand vous essayez de, euh, voir euh, de près, au Niger, ceux-là qui jouent, qui sont choisis pour jouer là, ce ne sont pas les enfants de pauvres que vous voyez à Damagaram Takaya, ou bien à, Kayang, à Moko, ou je ne sais pas, à Ngourti ou quelque part. Parce que dans les villages, si vous partez, si vous faites euh, vraiment en une sélection responsable, vous essayez vraiment de dénicher des talents, Wallah vous allez trouver des talents, des vrais talents. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est quoi Mais il y a même des gens très bien placés qui interviennent pour que leurs enfants jouer au football. Et pour cela, il y a d'autres qui modifient même l'âge des enfants pour les placer. Parce que l'enfant qui rentre au football demain, il devient une star et à devenir une star, Mais c'est tant mieux, elle devient une star. Mais malheureusement, quelqu'un qui ne mérite pas d'occuper cette place, j'arrive, s'il vous plaît. rapidement, rapidement. Maintenant, ce que moi je dis, il va falloir que les dirigeants du football nigérien, là, il va falloir qu'ils mettent de l'eau dans leur verre. Que ce soit du côté politique ou du côté de l'encadrement. C'est-à-dire que ça ne va pas, ça ne va pas. Dès que vous entendez le football nigérien, c'est que quelque part, il y a vraiment, en tout cas, un, du, <laughs> tiraillement autour, vraiment, en tout cas, de considérations piquinaires. Récemment, on m'avait dit même, j'ai cru entendre euh, récemment, que ceux-là qui ont participé à la Coupe du Monde, jusqu'à la date d'aujourd'hui, n'ont pas perçu leur les primes, les primes. Les primes. Mais c'est quoi ces conneries-là et c'est comme ça qu'on va travailler dans un pays. Moi, à la place du président de la République, que la, euh, la FIFA accepte ou pas, je vais dissoudre tout le staff du football nigérien. je veux les ramener à zéro pour demander cette démarre Vous savez, quand vous avez un champ, vous défrichez, vous plantez, non Je veux commencer par là. Le Burkina avait fait un moment, on avait, oui, c'est que le Burkina avait un moment, on avait vu les résultats, la preuve avec la Coupe d'Afrique qu'ils avaient organisée en 92 jusqu'à atteindre les demi-finales. Le Mali est revenu à la case départ. Aujourd'hui, quand vous voyez le Mali décadé jusqu'au jusqu'aux seniors, c'est une belle, c'est une, belle équipe. Ils ont des, des, des internationaux qui jouent dans des, dans des clubs en, Europe. Quand, quand vous comparez au Niger, vous vous demandez qu'est-ce qu'on a. Il n'y a aucun joueur nigérien qui joue dans un club et eh, en Europe. Aucun, même en deuxième division. Le seul qu'on a, le seul qu'on a en deuxième division, c'est Mazou Depuis que la saison a commencé, il a joué zéro minute. C'est pour vous dire que eh, on, on, on, on s'était vu trop beau quand on s'était qualifié en, en, 2012 et en 2013. On pensait qu'on a atteint le niveau de l'Égypte, qu'on a atteint le niveau du Maroc et on a refusé de travailler. Le travail qu'on avait peut-être eh, commencé on l'a laissé et on pensait qu'on est une grande nation de football. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on n'est rien, qu'on ne vaut rien. Et le problème du football nigérien, tout le monde le connaît, c'est les dirigeants du football. Aujourd'hui, quand vous, eux, quand vous leur dites, ils vont vous dire que ça marche. Or, ça ne marche pas. Il faut changer. ça ne marche pas. il faut changer. le politique s'ingère parce que c'est le politique qui donne l'argent pour que le, le, le, se déplace. Donc, le politique peut se gérer. La FIFA même n'empêche pas aux politiques de s'ingérer parce que c'est l'hypocrisie qu'ils font. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités. Hassan Boukar, Diaba de la radio alternative, Boukar Sedikali, journaliste, analyste politique, et Rufai Dandoua, journaliste sportif. Merci aussi à tous les auditeurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche à 17h15 avec Maman Ada pour le forum en Hausa et Balkis Amidou pour le forum en Zarma. Merci, au revoir.